Chers militants, chères militantes, le peuple sénégalais devient de plus en plus mature, de plus en plus exigeant, de plus en plus porteur d'aspirations au progrès social. Nous devons continuer à investir le terrain et parler aux Sénégalais de tous bords, dans tous les coins et recoins du Sénégal et de la diaspora. Que rien ne vous distrait vous êtes détenteur d'une vision claire et limpide. Vision vous savez, c'est ne de nous ñu nous ñun Pastef coalition